Euh, on le fait parce que ça rentre dans le cadre de l'appui que nous apportons aux radios. Il faut savoir que depuis euh, deux ans bientôt que nous sommes ici, nous travaillons avec les journalistes pour apporter une information indépendante et fiable aux citoyens du Niger. Nous renforçons aussi les capacités des radios qui viennent ici et qui euh, participent à des stages. Nous apportons aussi un appui dans le sens de ces équipements qui vont servir aussi bien pour alimenter les journaux du studio Kalangou que pour accompagner aussi les radios partenaires dans leur travail avec leur communauté dans toutes les régions du Niger.